Yo, wish your boy Yelzio from Jamadongla. Pour suivre mon actualité, bah, tu sais ce que tu as à faire. Abonne-toi ici, fini là. Tarek pour le Tarek Show. On commence à la folie ici même aussi Plaza. On était en direct sur Vibe Radio 102.3 FM. On salue tout le monde sur Vibe TV. Ce boy Tarek. Donc euh, le dernier match euh, du Sénégal contre le Kenya 3-0 deux buts de Stadio Mané. Content bu vous barrer, tu ci Vibe Radio d'abord mais content de vous sama grand grand Tarek mais encore une fois content du Chili quoi Sénégal vraiment on est fiers. quoi vraiment content nañu suñu xol de man maa ngi Walfadjri ñëw fii mais tey sama xol dafa sedd parce que samay frère laa fekk mais macha allah li yàlla sax quoi grand. amin mais nañu. jaajëf ah tey match bi nu gisee rafet na nice na gars yi joué xam nga mais xam nga rek mooy lool mais premier temps bi gars yi xaw a xam nga mooy loolu. waaw mooy loolu xaw a loo quoi xam nga mais après bi coach bi ñëw na. xam nga waa def gars yi xam nga waxal gars yi pour gars yi gën a mën a joué. est ce que booy mën nañ am dara booy est ce que mën am dara. waaw booy moom war nañ mën am dara kay. ci yoon noo leen gisee match bi. waaw match bi moom dans l'ensemble on peut dire que nañ tey trop kontaan nañ kontaan bu baax a baax a baax chef rek benn benn benn petit problème bu ñu constaté muy change changement wu changement wu Mbaye Mbaye Niang à la place de Konaté on aimerait voir Mbaye Diagne quoi franchement waaw Mbaye Diagne waaw Mbaye Diagne. booy dina am dara. non après incha allah baax na.

c'était le 6 Plaza ici même en direct euh, du match Sénégal contre le Kenya. Encore une victoire, donc 6 points pour le Sénégal. Félicitations. On se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Donc c'était avec Vibe TV, Azozop Tarek, Salut, c'est Omzodala Alors pour Ham, les petits actualité, actualités, news, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Vibe Radio.